Effectivement, oui, madame. Euh, ce que vous venez, de dire, euh, ça, je vous assure que euh, nos services, euh, plus la délégation donc, de l'ONG Noé, qui s'occupe elle aussi de la gestion de cette réserve de termites et où quand même il y a ces animaux sauvages, il n'y a pas que la gazelle. Il y a une multitude quand même d'animaux sauvages qui sont à l'intérieur de cette réserve. Ça, je vous assure que c'est la sensibilisation, l'information et la sensibilisation sur euh, en rapport avec la protection et la conservation de, ces, différentes espèces qui sont au niveau de la réserve de termites de c'est fait vraiment presque chaque jour. Et force de constater, vous savez que dans le cadre de la délégation de Noé, qui a eu la concession en matière pour gérer quand même cette ressource, cette réserve, ils ont mis, il y a des agents communautaires qui ont été, qui ont mis en place, donc, euh, qui vraiment qui rentrent dans le cas. C'est la communauté, c'est-à-dire que ce sont des, des, ressortissants même de la communauté, c'est eux-mêmes qui sont formés vraiment de façon de proximité, des agents de proximité pour sensibiliser leur père, donc la communauté, sur l'importance de cette, réserve. C'est que vous voulez dire que vraiment la sensibilisation, ça, c'est de tout le temps nous la faisons, que ce soit nos services déconcentrés, que ce soit la délégation quand même euh, au niveau de cette réserve. Nous faisons vraiment de la sensibilisation à tout bout du chemin.